bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur le miroir de la fin de ce mercredi 22 juin 2022. Café de presse organisé hier 21 juin 2022 par l'UNICEF dans le cadre commémoratif de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Zainab Gagra sur les images du Abdelmoumouni Abdraman. Lutter contre les pratiques néfastes faites aux enfants est devenu depuis plusieurs années un sujet de préoccupation des organisations qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l'enfant et le gouvernement. Une situation qui mérite une attention particulière afin d'éliminer ces pratiques néfastes et soutenir les enfants victimes. C'est dans ce sens que le représentant de l'UNICEF a tenu cette rencontre d'échange avec les journalistes ce mardi 21 juin 2022 une rencontre qui rentre dans le cadre de la journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin de l'année, dans le but d'expliquer et permettre aux journalistes de mieux comprendre ces pratiques. À l'issue de cette rencontre, le représentant de l'UNICEF a lancé un vibrant appel. La presse a un rôle fondamental à jouer euh, dans le changement de certains comportements qui sont à la base aussi de certaines pratiques euh, qui aujourd'hui euh, bien, le 16 juin, euh, on a lancé la journée euh, de l'enfant africaine centrée sur l'argument sur le sujet de euh, les pratiques néfastes. Et on sait que les pratiques néfastes ici au Niger, c'est surtout le mariage précoce et les mutilations, les mutilations génitales féminines. Pourtant que les mutilations ne sont pas vraiment euh, à un pourcentage préoccupant, mais on, espère de l'avoir euh, éradiqué d'ici à 2030. Le mariage précoce, c'est encore quelque chose euh, qui a un impact très fort sur la société du Niger et j'espère que à travers ce moment d'échange, la presse se va engager encore plus pour euh, euh, passer le message de comment c'est important de petit à petit euh, éradiquer, cette pratique pour permettre en fait aux filles de s'épanouir et d'avoir leur autonomie dans les décisions sur leur vie. À rappeler que le thème retenu cette année est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Il nous sommes nous pour mettre fin aux pratiques néfastes pour un monde meilleur juste pour les enfants et le développement de nos Malgré les dispositions de la loi sur le mariage des enfants, ce phénomène semble être, être, sans solution car chaque année, des centaines de jeunes filles se font marier de force au Niger avant l'âge de 18 ans. Suivons ce reportage de Hadiza Moudi, enfant reporter à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Elles sont nombreuses dans le monde. Les filles marient chaque année avant l'âge de 18 ans. Qu'en est-il de la loi Parlez-nous des lois en vigueur en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Par rapport aux lois en vigueur, il faut d'abord rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant lutte également contre le mariage des enfants au-delà de la Convention internationale, il y a également la Constitution du Niger qui également protège les enfants, mais également le Code civil applicable au Niger. Il faut retenir que selon les dispositions du Code civil applicable au Niger, il est interdit à tout garçon de moins de 18 ans de se marier et à toute jeune fille de moins de 15 ans. Donc euh, c'est là l'ensemble de l'arsenal juridique protégeant l'enfant contre le mariage. Malgré les lois qui l'interdisent, cette pratique reste courante. Interviewée par Hamatou, Maïmouna Oumarou fait partie des victimes de mariage forcé, ne peut s'opposer à la volonté de sa famille. Maïmouna accepta le mariage à condition de poursuivre ses études. Inijolimo ni ayugumo bakan ayugumo aygo kato ya mekal ayugumo hamdu madamo misa ayne to koma aygo bakan ina ayne to bakan si ayugumo me ay kuni gana an ko jam wani izo ni sindo a yan ba ce ina gina wata da wani zonin ne kullum kuma wallahi ta kuma su inda wani dunkun yi ne ni mai kwallo na nijin gana wala sun gana ai sun gana jin su a malai sun mun da ai ai shi kyau kaka in bayan su ne a gaisan gumu ai ne kyau ba kan sai ne sun san da shi jami'u ai ne ai dumin ta ai kyau wa ai su bibiya ne su a yadda a yadda ni kyau ai kyau ban a mai bibiya abu da son Dozon kan hidane mispe pamatno ali. Au ni aste, kono ni mai anda, kono ai mai dubai to, ai do di to dai to, ai do ki ki ho ni lai an, an ni ara kom iru sal sa yang no no. Ko sai ko sai la sai ai do di dai to, ai do hai to, ai do ba di sai ba asen no. Bara ni ai so to, ai wai di ba ni ni ya, ni sar ni ya to, kom ai do ya ai an ba. Beaucoup de fois, sont mis en œuvre pour lutter contre le mariage des enfants. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le mariage forcé ou, d'enfants Nous faisons des mécanismes de lutte contre euh, ce fléau à travers euh, le maintien des jeunes, filles et garçons, de l'enfant à l'école, parce que c'est également une solution pour euh, repousser le mariage des enfants et décourager le mariage des enfants. Au-delà de ça, nous passons à la sensibilisation des parents, des enfants, des leaders communautaires et religieux pour leur dire que, attendez, les enfants ont mieux à faire que le mariage. Parce que le mariage, c'est bien, mais après 18 ans, c'est mieux. Si une fille vous demande de se secourir pour empêcher son mariage, quels sont vos recours en cas d'alerte, nous intervenons de manière euh, diplomatique. Dans un premier temps, nous allons essayer de rencontrer les parents de la jeune fille pour lui montrer euh, le manque d'intérêt de cette fille pour euh, cette union que ces derniers veulent célébrer. Donc souvent, nous tombons sur des parents qui comprennent et qui acceptent de renoncer et tout ce qui s'ensuit. Au-delà, souvent, on tombe sur des parents qui résistent et là, automatiquement, nous touchons les leaders euh, religieux et les leaders euh, coutumiers pour leur dire que voilà, nous sommes confrontés à une situation un peu délicate, qu'il y a une fille, peut-être âgée de moins de 18 ans, ou souvent dans les cas de mariage forcé, nous leur expliquons que cette dernière est venue vers nous pour nous dire qu'elle ne veut pas de la célébration de son mariage et qu'elle a besoin d'assistance. Et là, souvent, c'est ça, je prends en référence le chef de canton de Hamdallah pour qui je fais une mention spéciale parce qu'il a aidé plusieurs jeunes filles dans des cas très délicats. Donc euh, souvent ça échoue au niveau des leaders religieux et coutumiers. Donc là nous sommes appelés à faire appel à la force publique. Votre appel à l'endroit des autorités publiques sur les dérivés constatés. Il faut d'abord les remercier parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté au niveau de la gendarmerie, au niveau de, la police, vous avez des pôles qui luttent contre les violences faites aux enfants. Donc euh, du coup, on les remercie pour cela. Parce que au delà nous appelons aux autorités administratives, coutumières et les autorités religieuses de bien vouloir Regardez dans, dans quel cadre ils vont réétudier, réviser cette disposition afin qu'on puisse ensemble protéger les enfants. Le mariage précoce ou forcé maintient les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. C'est pourquoi la lutte contre le mariage des enfants doit être une affaire de tous. Autre aspect de cette euh, édition, l'école d'Écroly, section primaire de Panfandou, a procédé ce jour 22 juin 2022 à la fête de fin d'année au profit des élèves et enseignants du dit établissement. Voyons cela dans ce reportage de Senab Kagra qui commente les images de Ibrahim Kantama. C'est après neuf mois de dur labeur que les élèves et les enseignants de l'école de ainsi que les parents d'élèves se sont réunis comme dans la coutume de cette école de célébrer chaque année la fête de fin d'année. En ce moment fort d'émotion, la fondatrice de l'école de a exprimé ses sentiments. Dans nos habitudes chaque fois, à la fin de l'année, nous allons aider les enfants en organisant une fête pour eux, une fête qu'eux-mêmes organisent comme vous l'avez constaté, donc à travers tout ce qu'ils ont fait comme euh, activité socio-culturelle, c'est eux-mêmes qui ont organisé la fête pour eux-mêmes. Après neuf mois de lutte labeur, que euh, nous organisons euh, cette fête avec joie, en, espérant que les élèves vont profiter de ces vacances pour se reposer et pour encore apprendre. Et je passe par là par, pour lancer un appel aux parents pour qu'ils continuent l'encadrement, pour qu'ils continuent l'éducation familiale qui est fondamentale pour le développement de l'enfant, pour qu'ils continuent à sensibiliser les enfants, à les éduquer, à les sensibiliser sur les méfaits de la violence sous toutes ses formes à les sensibiliser sur l'importance de, l'entraide et de la solidarité qui, sont très très très importantes dans une communauté. Quant à chef euh, du secteur Banfandou, Inspection elle a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des parents d'élèves. C'est le lieu d'encourager les élèves, leurs parents et leurs enseignants c'est vraiment une très belle journée pour les enfants. Ils sont très contents pour la fête. Euh, L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des parents d'élèves, c'est de continuer à l'éducation à la maison, parce que l'école, ça ne suffit pas. les parents doivent éduquer les enfants et collaborer avec euh, les enseignants pour la bonne marche de l'école nigérienne. Je conseille les parents de d'élèves à continuer à profiter de ces vacances-là pour euh, trouver des activités à, leurs, à, leurs, enfants. Ça peut être euh, les macaranta, l'école coranique, ça peut être des activités de travail manuel et autres. Ne laissez pas surtout les enfants traîner et continuer l'éducation et préparer une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Les enseignants et les élèves de l'école de Crowley ne sont pas restés en marge des festivités. La fête est vraiment bon. Les enfants dansent, ils sont tous joyeux et je souhaite euh, la même chose pour l'année prochaine. Ce que j'ai à dire aux parents, c'est de continuer vraiment à suivre les enfants, même à, la maison. Les enfants ont besoin de suivre. La fête s'est très bien passée ici à l'école des colis. Et l'année prochaine, nous espérons organiser une nouvelle fête. Je me sens très bien et j'espère que mes camarades aussi. La fête scolaire se passe très bien. Nous sommes vraiment heureux de cette fête. Nous voulions que l'année prochaine se fête comme ça. Aujourd'hui, c'est la fête scolaire. Tout le monde s'amuse au jardin. Notons que cette euh, cérémonie de la fête euh, de fin d'année a été riche en couleurs. Meilleures vacances donc à tous les élèves de l'école de Toujours euh, dans la série des fêtes euh, scolaires, le complexe de Nielga a également procédé hier 21 juin 2022 à une fête dédiée aux élèves. Nous vous invitons à suivre à cet effet une des organisatrices. Nous sommes une équipe euh, de jeunes étudiantes qui œuvrent pour le bien-être et la satisfaction de l'enfant. Nous organisons des sorties extra-scolaires, des fêtes scolaires, et tout ce qui a trait à l'épanouissement de l'enfant. C'est dans le cadre qu'on est venu aujourd'hui ici à Harobanda, à l'école Nyalga 3, pour aider les, les enseignants à clore l'année scolaire. C'est juste notre première année d'exercice. On espère que ça continue. En tout cas, on a besoin de partenaires pour nous euh, aider à œuvrer dans le bon sens. Aujourd'hui, vous avez déjà constaté de vous comment les enfants sont épanouis euh, par cette fête. Donc, on a vraiment qu'ils nous aident à continuer dans le sens là. Merci. Place euh, à présent un grand reportage sur l'épidémie de la euh, rougeole. En effet, l'UNICEF euh, et l'OMS ont alerté sur France 24 sur la recrudescence des cas de rougeole dans le monde depuis le début de l'année 2022 et sur les conséquences du manque de vaccins. Dans une communication conjointe du mercredi 27 avril 2022, les deux organisations ont annoncé que des cas ont explosé de près de 80% en comparaison avec la même période de l'année dernière dans le monde au dans le monde. Au cours des deux premiers mois, dans le district de Madawa, rejoint de Tawa, il a été rapporté par euh, Abbas Magaji, épidémiologiste au district sanitaire de Kwani le 29 mars 2022 à peu que du 1er janvier au 27 mars 2022, 721 cas de rougeole avec un décès ont été euh, notifiés. Dans cette euh, rejoint, euh, dans cette Médecins sans frontières œuvre aux côtés des autorités régionales pour circonscrire la maladie et limiter sa propagation. Une de nos équipes se rendit à Madawa au CSI de Takota dans la commune de Bangui et c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Bonsoir. Le Niger est l'un des pays qui est en proie aux épidémies chaque année, notamment celle de la rougeole. En 2022, on a commencé à enregistrer des cas de rougeole depuis le début de l'année. De la région de Tawa, du 3 au 24 avril, 1590 cas ont été enregistrés dans le rapport de maladie à déclaration obligatoire, il a été officiellement rapporté que le district sanitaire de Madawa, qui est l'un des plus peuplés, a été également affecté par l'épidémie de la rougeole pour faire face à la situation et appuyer le ministère de la Santé dans le district sanitaire de Madawa dans la lutte contre la propagation de l'épidémie et réduire la morbide mortalité liée à cette maladie, Médecins sans frontières et le district sanitaire de Madawa ont organisé une campagne d'urgence de vaccination rougeole. Selon Médecins sans frontières, toutes les aires de santé de la commune de Madawa ont été vaccinées avec un taux de couverture vaccinale de 95%. Au total, 32 242 enfants ont reçu leur vaccin du 19 au 24 mai un dépistage systématique de la malnutrition a été effectué. 194 enfants étaient en situation de malnutrition sévère et 586 modérés. Dr Yanni Gouni, coordinateur médical des urgences pour le Médecins sans frontières, explique la réponse de l'organisation sur le terrain. Cette vaccination a commencé le 19 euh, euh, par, la commune, de Madame. Ensuite, nous sommes passés sur la commune nous, avons commencé les communes de Bangui et d'Azaru qui vont être euh, combinées. Et euh, enfin, on par les communes de Sardinida et de Ghana. Donc, ce qui devrait nous mener jusqu'à vers le 20 ou le 22, avec euh, une cible de plus ou moins 135 561 enfants mais de 6 mois à 59 mois, surtout le décès sanitaire. Et sur les deux communes euh, déjà vaccinées, nous avons, euh, atteint 52% de la cible, c'est-à-dire à peu près 71 euh, 400 enfants. Et avec une couverture vaccinale sur la commune de Madawa à 95% et sur la commune de Oumou à 160%. Selon toujours le coordinateur médical des urgences de Médecins sans frontières à Madawa, la vaccination est accompagnée d'activités de distribution de kits de médicaments pour traiter les cas simples de la rougeole. Nous avons aussi euh, soutenu euh, un ensemble de cas de CSI qui ont reçu des kits de médicaments pour euh, traiter les, les cas symptômes donc c'est ça essentiellement que nous avons fait à côté de, la vaccination, la prise en charge des cas Nous On distribué à peu près un total de 200 IC kits pour le traitement d'à peu près 2000 Ici, ça nous fait 2060 cas. 2060 cas, c'est ce qui a été distribué au niveau de, celle-ci que nous avons approché. Et je pense que le ministère est très bien passé parce que sur les deux communes que nous sommes passés, nous avons pu constater que partout que nous sommes passés, nous étions entendus. Euh, les communautés savaient que nous venions, elles attendaient notre passage et elles sont euh, favorablement répondues de la commune de Bangui, au CSI de Takwaka, avant de lancer cette campagne d'urgence de vaccination contre la rougeole, plusieurs activités ont été menées par les équipes de Médecins sans frontières. Pour Savo Amadou, responsable des activités information, éducation, communication, Médecins sans frontières à Madawa, cela a permis d'obtenir de bons résultats. Donc euh, pour les préparatifs, euh, il y avait eu des préparations avant la vaccination. Trois jours avant, les jeunes devaient en train de sensibilisation pour essayer d'avoir une mobilisation sociale réussie pour une vaccination réussie. Après la rencontre avec ce leader-là de la mairie, on a rencontré le groupement des femmes, les associations de jeunes, les relais communautaires, l'organisation de prières publics aussi dans le cadre de la, de la promotion donc, de cette vaccination. Le résultat est satisfaisant parce que c'est une synergie. Elle veut dire quoi Il y a un réseau des acteurs communautaires qui est là et qui est activé pendant cette vaccination. Nous avons l'expérience par exemple du CSI de la commune de Wournou où on a arrêté plus de, donc, de 161% et ça grâce à cette mobilisation des acteurs impliqués. Comme un témoin, ces deux mères âgées respectivement de 22 et 45 ans, le fils et Jouera habitent dans la même cour. Elles ont décidé de ne pas rater cette campagne d'urgence de vaccination rougeole. Nos deux mamans en ont entendu parler lors des séances de sensibilisation faites par les agents promoteurs de Médecins sans frontières. Cette maladie peut causer des troubles visuels ou même la mort de l'enfant. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux, mais j'entends parler de cela, car ce n'est pas bon pour l'enfant. Ah oui, j'ai peur. C'est pour cette raison que je préfère prévenir avec le vaccin. C'est Médecins sans frontières qui nous a sensibilisés à venir faire vacciner nos enfants. On nous a appelés à venir faire vacciner nos enfants. Mon enfant a reçu le vaccin. Ah oui, la rougeole, elle peut provoquer des lésions graves de la peau et même rendre handicapé, avec des problèmes d'audition et des troubles visuels. Ah, c'est la raison pour laquelle j'ai amené mon enfant pour le faire vacciner et le prévenir de la maladie. Dans la déclaration de l'épidémie de rougeole par les autorités sanitaires, nous à Abou Hamadou, responsable CSI Takwaka, situé dans la commune de Bangui. Médecins sans frontières a disponibilisé les moyens matériels, financiers et ressources humaines. Maintenant, avec euh, le partenaire euh, MSF, en haute collaboration avec euh, le superviseur du MSF, on a pu assez visiter les sites où il y a eu assez de cas. On les a pris en charge aussi avec l'appui de MSF euh, dans le cadre de la prise en charge. Ils nous ont octroyé des kits de prise en charge euh, de ces cas de maladie et des accompagnements avec leur superviseur sur le terrain et en même temps, avec sa collaboration, elle a intégré les relais ICCM toujours dans la recherche active de ces cas de Selon Selon Dr Yanni Bouni, coordinateur médical des urgences pour Médecins sans frontières à Madawa, avec la saison pluvieuse qui s'installe, le parmi la nutrition s'annonce. Il déclare que les équipes de Médecins sans frontières se préparent pour faire face à un éventuel afflux de patients qui pourraient arriver et se positionnent également pour une éventuelle crise nutritionnelle. Au-delà de l'hôpital, Médecins sans frontières travaillera avec les relais communautaires afin de donner un support et continuer l'excellente collaboration entre le ministère de la Santé publique et l'organisme.